pour le lancement du statut de l'entrepreneur. Il s'agit d'un outil extrêmement important pour développer la formalisation des entreprises du secteur informel. Comme on vient de le dire, le secteur informel représente 97% des entités économiques au Sénégal. Et le PSE, qui est le référentiel des politiques publiques au Sénégal, considère cette informalité comme contraintes qu'il faudrait lever. Et aujourd'hui, cet instrument important est le statut de l'entrepreneur nous permettra d'aller un peu plus vite. Et pour cela, nous devons aussi y associer des mesures incitatives. Donc, euh, le statut de l'entrepreneur permet de faciliter la formalisation parce que c'est sur une simple déclaration au niveau de la grève. Mais aussi, on va travailler, et c'est le, lieu de cette euh, réunion, à mettre des mesures incitatives pour beaucoup plus faciliter les acteurs à aller vers cette formalisation. Donc euh, c'est un panel important pour nous parce que non seulement ça permettra de vulgariser le statut de l'entrepreneur, mais aussi travailler à mettre des mesures incitatives pour compagnie Et surtout, à mettre en synergie les différents acteurs qui travaillent dans la formalisation. Les mesures incitatives sont nombreuses. Il y a la facilité d'accès au marché public, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'ARCOP, qui est l'ancienne ARMP. Il y a la mutuelle nationale de santé, aujourd'hui des artisans, mais demain, ce sera pour l'ensemble du secteur informel, qui sera formalisé, mais également des mesures incitatives jusqu'à la formation, le financement mais surtout aussi, même un peu au-delà de l'assistance technique, il y aura même, euh, comment dirais-je, un chèque, à, de service pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'incitation et je pense que le panel nous permettra de mieux les structurer et après on pourra faire la vulgarisation avec vous tout le monde, comme on dit, afin que nul n'ignore, tout le monde sache que cet instrument est important pour l'amélioration de la productivité des, structures de l'informel, les, UPI, des unités propres de, de production informelle, puissent, avec ce statut, aller vers la formalisation et avoir accès à ces mesures incitatives. Monsieur le ministre, entre autres euh, mesures vous avez tantôt parlé aussi de l'instauration de d'un guichet unique. Oui. C'est-à-dire le guichet unique, c'est l'importance de cette réunion. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'ensemble des acteurs sur une même table. Et nous voulons aller vers, euh, par le digital, à avoir une plateforme unique de formalisation qui permettra à temps réel d'avoir tous les à chaque jour, on pourra savoir combien de gens se sont formalisés. Et à la fin de l'année, on pourra avoir une idée. au-delà aussi travailler à avoir, par la synergie à avoir le meilleur impact sur les activités. Et donc, c'est l'importance de ce, de panel. Voilà, monsieur le président de Biasiwal. tey dafa am ndaje boo xamante dañ ko def pour waxtaanee lo xamante lu am solo la ci formalisation moy nan la nit ki dem ba bind ba su bindo lepp li nga xamante da koy soxla ci liggéeyam mu mën ko ko yombal solo bobu nak mo ngi am ben ñu tuddé statut de l'entrepreneur lo xamante la day yombal bind ndax ñi ngi gisoon nañ ne ci seen biir amoon na jafe-jafe pour nit ñi mën a bind ñenn ñi doon nañu jàmbat ne dafa cher ñiy jàmbat ne dafa compliqué du ñu amuñu leer ci leerul ci ñoom yooyu yëpp muy loo xamante ne dafa doon ay gàllankoor pour mën a jot ci li ñu soxla woon moom mooy nit ñi bind bind moomu nag day ubbil nit ki nga xamante ne fa yor entreprise am di këru liggéeyukaay da koy yombalal lu bari. na ko yombal ci formation avec PFPD bi toog moom mooy tàggat dina la yomb dina ko yombalal ci financement mooy jot ci nga xam ne mooy lépp pour liggéey dina ko jong yombal ci équipement ak accompagnement ak ADPME bi toog yooyu yëpp muy lu nga xamante ne nit ki nga xamante ne dafay liggéey dina ko dina ko mën a yombalal statut de l'entrepreneur boobu nag bindu rek la laaj laaju dërëm boo ci fay te bokk ci ñi nga xamante ne mën nañ cee jot loolu nag muy solo muy solo ci li nga xamante ne mooy solo ñu doogaayu tey bi moo tax ñu koy waxtaane bëgg nag yéen ñi nga xam ne yéen presse bi ngeen gën koo mën wasaare ba ki ko xamuloon xam ko xam ne que tey jii am na loo xamante ne mën nañ cee jot ci lu yomb ndax doo fay dinañ jot te loolu dinañ ko ay bare bare bare léegi nag su gunge boobu nag dafa am leneen luñ ci sof mooy luñ ci sof moom mooy mesure incitative mesure incitative moom mooy li nga xamante ne jumtuwaay bi ñu njëkk yoon moom mooy statut de l'entrepreneur moom kese mesure incitative la ndax yombal

tey ñu bokk ci ñi nga xam ne entrepreneur la moom mooy ñu doog a door te moom ñoo fay ëllëg ñu accompagner leen ba ñu mën a dugg ci ñi nga xamante ne am nañ doole ba mën a ñoo jàpp ci li nga xam ne mooy doxal dëkk bi ndax tamit dëkk bi tamit na ñëpp xam ne pour mu dox ku ne def ci war a def loxo jërëjëf